le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h16 minutes. Bienvenue au forum du studio Kalangou au micro Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et en FM 100. Vous pouvez aussi nous écouter à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et aussi des localités d'Arlit, Filengue, Berningaure, Chirozérine, Magaria, Menesoroa, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. C'est toujours la recherche de la paix à Difa qui retient notre attention avec cette bonne nouvelle des combattants de Boko Haram qui décident de se rendre aux autorités nigériennes. Dans ce lot qui n'est pas le premier, ils sont une trentaine de combattants à déposer les armes et à se rendre. Ces repentis ont été officiellement présentés. Ils bénéficieront d'un certain traitement avant leur réinsertion définitive. Vous suivrez les témoignages d'un d'eux, puis euh, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, sur ce projet de repenti qui porte ce puits et les conditions de sa pérennité. Assurez aussi le haut commissaire à la restauration de la paix, le colonel Abou Tarka, sur la construction de la paix à Difa, sur la guerre menée contre Boko Haram. Vous suivrez aussi quelques habitants de Difa qui sont contents de cette dynamique de paix qui s'installe progressivement après plusieurs années de dures épreuves. Vous suivrez enfin notre, correspondant, notre correspondant dans la région, Adam Babou Karna, qui va nous raconter comment ces jeunes ont pu accepter de se repentir. Par la suite, nous allons parler de l'extrémisme religieux dans son ensemble, que ce soit à Difa ou dans le reste du pays, avec euh, cette rencontre organisée par la Maison de la Presse ce mercredi, une conférence débat à l'intention des journalistes sur le thème L'islam et la culture de la paix. Vous suivrez les initiateurs de la rencontre et le conférencier Cheikh Bourem Daouda. Oui, l'actualité, c'est cette trentaine de combattants de Boko Haram de la région de Difa qui a déposé les armes et qui s'est rendu aux autorités nigériennes. Euh, la présentation a été officiellement faite. Qui sont ces jeunes Je vous propose de suivre un des repentis. J'étais combattant de la secte Boko Haram, mais j'ai arrêté pour revenir. Ce qu'ils font est mauvais. Il y a encore d'autres qui veulent cesser. Nous aussi, beaucoup d'autres nous ont dévancés. Nous avons compris que si nous nous rendons, nous n'allons pas être arrêtés et nous avons pris la décision de venir. Ceux qui sont encore là-bas pensent que nous avons été arrêtés. Lorsqu'on était à Tumur, on ne sortait pas le jour, c'est la nuit qu'on sortait et les autres ont profité pour fuir avant nous. Maintenant, nous voulons à ce que le gouvernement nous fasse grâce pour qu'on oublie tout. Et après, nous allons œuvrer pour le développement du Niger ensemble avec tous les citoyens. Nous n'avons pas compris le fait qu'ils continuent à tuer les gens et nous avons arrêté. Au début, nous n'avons pas pensé que c'est de cette manière qu'ils vont agir. Nous pensions que c'est la religion et nous avons adhéré. À notre surprise, nous avons constaté qu'on n'est fait que tuer les gens et que tout ce qu'on voit tuer au Niger, ce sont nos parents. Nous avons beaucoup réfléchi et nous nous sommes retirés. Je n'ai jamais tué quelqu'un ni brûlé des habitations. Je lance un appel à ceux qui veulent faire comme nous, de venir. Il n'y a pas de problème avec les autorités, qu'ils viennent pour soigner leur vie et continuer à travailler pour leur pays. Je ne suis pas venu avec une arme, je n'avais pas une arme depuis. Ah, vous venez de suivre un des repentis qui témoigne de sa vie de Boko Haram et qui décide de se repentir, bien sûr. Alors, qui sont ces repentis Comment sont-ils venus et qu'est-ce qu'ils attendent Nous avons pu joindre notre correspondant dans la région, Adam Baboukarna, qui nous explique c'est répandu, euh, c'est des jeunes. La majorité, euh, c'est des visages juvéniles. Hein. Euh, on peut valider, varier entre 15 et 27, 28 ans, parce qu'il n'y a pas de personnes âgées. C'est tous des jeunes qui sont là, qu'on a visité hier avec le ministre de, l'Intérieur. Des filles et des garçons Parmi les gens, il y a une trentaine, il y a, quatre filles, quatre filles, c'est leur femme. on a demandé, c'est leurs femme qui sont à côté d'eux il y a deux petits-enfants euh, qu'elle porte. Deux, deux, porte deux enfants euh, qui sont avec eux euh, ici à Difa. Et ils sont formellement identifiés comme étant des éléments de Boko Haram euh, Effectivement, parce que avant de les accepter, il y a eu, des identifications ont été faites au niveau de la direction générale de la police. Alors, les populations qui les ont amenés aussi ont certifié que c'est des éléments de Boko Haram, euh, raison de plus qu'ils les ont acceptés ici à Difa et, qu'est-ce qui le prouve hein? Ce qui le prouve, c'est qu'ils ne sont pas venus de même parce qu'il y a des personnes qui sont euh, qui les connaissent. Euh, je te dis que la, majorité, euh, parmi la trentaine, la majorité, 29 sont du Niger, tous sont du Niger. Alors, ils sont issus des villages qui longent la Komadougou. Et c'est des enfants connus qui ont des parents, qui ont leurs frères, qui les connaissent. Alors, ça risque de tromper. Ils sont des éléments qui sont ici casés à distance. La question que l'on peut se poser, qui a pu créer le lien entre les autorités du Niger et ces éléments de Boko Haram pour que la confiance puisse régner et qu'ils acceptent de, se repentir Vous savez, depuis euh, euh, des mois, il y a eu ce premier euh, appel, n'est-ce pas, euh, à l'endroit de des enfants euh, des Boko Haram de revenir au pays. Alors tout est parti euh, d'un enfant d'un village qui est venu de lui-même et il a demandé à son père de l'amener euh, alors euh, chez les forces de sécurité. C'est ça le point de départ, n'est-ce pas, euh, de cette de, cette, de ces repentis qui sont en train de venir petit à petit. Il y avait le premier groupe d'une personne, il y a 13 qui sont venus et par la suite une dizaine aussi, ils sont venus et sont en train de venir. Alors de faire de tous les villages du long de Komadougou, c'est apprendre à et mener Gaskerou, Boso également, euh, beaucoup sont attendus La parce qu'on disait qu'ils sont nombreux à vouloir venir, mais ils craignent qu'ils reçoivent des exactions. Mais avec ce, meeting de ce matin du ministre, avec cet appel lancé par le ministre via le président de la République, euh, je pense que les causes seront entendues. Et dans les prochains jours, nous pensons avoir euh, plusieurs éléments de Boko Haram qui vont se rendre. Ces jeunes, ils viennent du Niger le long de la Komadougou ou bien ils viennent du Nigeria C'est où leur base ben, leur base, c'est la frontière. Hein. tu sais, euh, la frontière Niger-Nigeria, c'est une frontière naturelle. Ce sont les eaux de la Komodogu qui constituent, euh, n'est-ce pas, la frontière. Et ils sont cachés dans ces, dans ces petits euh, îlots, si on peut le dire, les petites îles, les branchages et aussi les petits coins d'eau qui virgulent tout au long de la frontière. Mais qu'est-ce qu'ils veulent quand, quand ils se repentissent, quand ils veulent se repentir c'est quoi leur ben, Et qu'est-ce qu'ils attendent qu'on leur donne ben, euh, On a pu interroger quelques-uns. Eux, d'abord, euh, ils parlent de, que le Niger retrouve la paix. Alors, et surtout aussi qu'on lui donne du travail. Euh, il y a un programme qui est là, un programme que le ministre a évoqué. Ça veut dire qu'ils seront casés dans un centre, n'est-ce pas, où ils vont apprendre divers métiers. Est-ce qu'ils font peur, ces jeunes ben, euh, bon, ils font pas tellement peur, mais ils ont des regards hagards, ils ont hagards, n'est-ce pas euh, Ils sont dans, dans des conditions, euh, ça fait à peu près deux semaines qu'ils sont là. petit à petit, je pense qu'ils ont commencé à oublier l'idée des combattants de Boko Haram. Ils sont en train de se familiariser, n'est-ce pas, aux populations. Tout ce qu'ils demandent, c'est les meilleures conditions de vie et d'existence. Alors, il y a eu un premier lot, un deuxième, et les secondes, euh, le reste, les, les, prochaines vagues, c'est peut-être quand Vous n'avez pas je ne saurais te dire, Je ne saurais te dire, c'est pas, euh, c'est pas officiel où il faut venir, euh, où tout le monde va venir, va voir leur, euh, repenti, n'est-ce pas Mais c'est quand même, c'est dans la discrétion, elle se donne au chef de village, elle se donne au chef de groupement, peu, au groupement ils se donnent euh, à leurs parents et c'est par groupe de 2, 3, 5 comme ça, euh, ils sont entassés. Est-ce que euh, ces vagues ou ces, repentis qui viennent, leur attitude annonce la fin très très très prochaine de Boko Haram mais c'est ce qu'on souhaite parce qu'aux premières heures, il y a déjà eu des gens qui sont rendus, même s'ils viennent à Difa, c'est pour attaquer ou pour s'exploser avec les kamikazes. Mais à nous, deux le jours, on a compris que la paix est en train de, revenir petit à petit. Et c'est que l'idée a épousé, les populations aussi ont épousé l'idée parce que c'est pas facile de faire la guerre, n'est-ce pas euh, Mais euh, ils ont le, bras tendu par les sortir de cette réplique. Euh, c'est aussi une méthode, n'est-ce pas, qui prouve que sans, même les combattre, on peut aller au bout de cette crise. Voilà la vie des répentis de, Boko Haram dans la région du Difa, racontée par notre correspondant Adam Baboukarna. Alors, que pensent les habitants du Difa de cette nouvelle dynamique de paix qui s'installe progressivement Eh bien, les, habitants en sont contents et ils ont tenu à le dire au micro de Adam Baboukarna. Nous, nous estimons que c'est une bonne chose du moment où c'est la paix qui prime. Donc, euh, les gens sont partis, ils sont revenus. Donc, c'est nos frères nous sommes obligés de les accueillir ici. Et vraiment, notre souhait, c'est de la reprise des activités même économiques et sociales de la région, d'une manière générale, et surtout de la, le long de la Pomadougou, de manière spécifique. Donc euh, nous, nous voyons que c'est une bonne chose. Hein. Donc vraiment, euh, que Dieu nous guide nos pas vers la réussite et que la paix prime sur ce programme que le gouvernement du Niger vient de nous amener, c'est un programme vraiment qui cadre parfaitement avec euh, le processus vraiment d'un pays durable. Du fait que ce cadre va être créé, va permettre effectivement à toute la population, donc toutes les couches, vraiment euh, euh, de reprendre, de retourner dans leur localité, pouvoir maintenant faire l'activité donc, euh, dont ils ont l'habitude toujours de mener. Celui d'un peu, vraiment, ça va être un processus, celui d'un peu durable, donc qui peut toutefois maintenant euh, vraiment créer une atmosphère plus viable donc, pour toute la population. Depuis la Première Guerre mondiale euh, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on pourrait s'entendre ils vont chercher une place pour s'entendre, c'est-à-dire une place de l'entente. On pour, dire à partir d'aujourd'hui, la guerre, là, on va cesser aujourd'hui. Et avec encore les guerres qui les suivent, c'est comme ça. Pour euh, mettre fin à la guerre, on va euh, euh, chercher une, une place pour s'entendre. Les habitants de Difa qui sont contents de la nouvelle dynamique de paix qui s'installe progressivement dans leur région. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur est dans la région. Il a présidé une rencontre sur la démobilisation des combattants, puis a organisé un meeting au stade de la Concorde de Difa ou en présence bien sûr des populations. Bazou Mohamed, au micro de notre correspondant Adam Baboukarna. Ces derniers mois, euh, suite euh, aux difficultés auxquelles nous avons pu être confrontés euh, à l'occasion des événements de Bosso, vous vous souvenez, le président de la République a donné des directives dans la façon dont nous devons nous engager et nos forces ont appliqué sur le terrain ces instructions du président de la République et depuis lors, euh, nous avons enregistré de nombreux succès qui ont eu pour effet d'affaiblir considérablement cette organisation. Et ces derniers temps, nous avons noté euh, des formes d'action qui indiquent très clairement que cette organisation a en effet été affaiblie et qu'il y avait lieu d'envisager la paix dans le contexte de cet affaiblissement et du nouveau rapport de force entre nous. Nous avons compris en effet que les éléments de Boko Haram, lorsqu'ils agissent, c'est davantage pour chercher à manger hein, que pour nuire à notre armée ou à nos forces de défense et de sécurité de façon générale. Et nous avons aussi enregistré une démobilisation dans leur camp qui s'est traduite par des démarches de la part d'éléments isolés et qui voulaient se rendre. Nous avons facilité le contact avec euh, ces éléments-là et ça a pris une certaine consistance hein, qui s'est traduite par le fait que euh, 30 éléments se sont rendus, certains avec leurs familles, leurs femmes, leurs enfants. Et nous avons voulu euh, donner de l'ampleur à cette dynamique nouvelle en venant ici, en ayant ce contact que nous avons eu pendant ces deux jours avec les populations, leurs représentants, et de toutes nos discussions, il est ressorti qu'il était nécessaire que nous entrions dans une autre phase hein, du combat contre cette organisation. Et nous avons voulu impulser cette nouvelle dynamique à partir de cet appel que nous avons lancé au nom du président de la République hier en réunion et aujourd'hui en meeting populaire, consistant à dire aux éléments de Boko Haram de se rendre et d'avoir confiance en nous il s'agit de nos enfants qui ont été égarés, euh, à qui leur esprit est en train de revenir. Euh, ils sont aux abois. Ça ne sert à rien de les maintenir dans la situation, euh, même du rapport de force où ils sont très faibles, parce que tout simplement, tant qu'ils existent, même à l'état résiduel comme ça, leurs agissements ont le même impact psychologiquement sur la population qui considère que nous sommes toujours en état de guerre mais euh, surtout sur le plan économique, aucune des mesures qui ont été prises ou aucune des mesures qui ont été euh, dictées par cette situation ne bougera. Or, lorsque on décidera qu'on est en paix, psychologiquement, les gens vont se sentir plus en état de pouvoir retourner dans les villages et les activités économiques aussi vont progressivement reprendre parce qu'on aura mis fin aux actions de nuisance de Boko Haram. Voilà le sens de notre démarche. Euh, lorsque nous disons qu'ils doivent faire leur reddition, nous devons aussi préparer les conditions de leur accueil et définir leur statut juridique et le statut euh, de, la démarche que nous allons entreprendre désormais. Nous avons un camp de transit que nous avons aménagé ici déjà, euh, avec une prise en charge conséquente à tous égards hein, des combattants qui se sont rendus mais nous espérons qu'à partir d'aujourd'hui et l'appel que j'ai lancé au nom du président de la République, le flux va se massifier, les arrivages seront plus nombreux, les effectifs le seront d'autant. Et c'est pourquoi je veux me rendre à Goudou-Maria pour prospecter l'endroit où nous pensons installer le camp qui va être un camp définitif euh, où ils seront logés. Ils ne seront pas des prisonniers, c'est très clair mais pendant un temps, nous ne pouvons pas les lâcher dans la nature, hein, les, livrer à la société parce que euh, ils ont quand même commis des crimes. Hein. c'est difficile que tout le monde pardonne les crimes euh, qu'ils ont commis. Mais aussi, euh, ils peuvent être des éléments dangereux qui méritent que nous les suivions de plus près. C'est pourquoi nous avons pensé à ce moment de leur rééducation. ce camp-là, il va euh, servir de cadre où nous allons les rééduquer, les rééduquer surtout euh, dans le domaine religieux, les déradicaliser pour utiliser un terme en vogue, d'une part, mais nous devons aussi euh, leur apprendre des métiers. Hein. Nous allons certainement ouvrir des centres d'apprentissage où ils vont être préparés à l'acquisition de connaissances professionnalisantes ils feront probablement de la menuiserie, ils feront peut-être de la plomberie, de l'électricité, je n'en sais rien. En tout cas, toutes les choses qu'il sera possible de faire dans le cadre de ce cas. En cela, nous faisons des choses qui sont faites ailleurs. Hein. La démobilisation telle que euh, nous voulons la consacrer à partir de demain a lieu en ce moment au Nigeria, elle a lieu euh, au Tchad, elle a lieu aussi au Cameroun. Euh, et nous, nous ferons à peu près les choses dans le cadre des concepts de cas. Hein, tel que cela s'est fait sur le plan international à l'issue de conflits comme ça. Nous serons dans une logique hein, de situation de post-conflit euh, et donc par conséquent nous allons prendre en charge toutes les exigences qui seront dictées par ce contexte-là. Nous sommes sûrs que euh, si ce mouvement-là prend de l'ampleur, ainsi que nous l'espérons, parce que euh, le rapport de force est tel que euh, tout le monde aujourd'hui sait que Boko Haram n'a pas d'avenir, les jeunes de chez nous aussi Voilà le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, sur la démobilisation des combattants de Boko Haram et de façon générale sur la dynamique de la paix dans la région de Difa. Les combattants commencent à se repentir, mais ça n'a pas été simple. Il a fallu beaucoup d'investissements pour arriver à ces premiers résultats. Le haut commissaire à la restauration de la paix en sait quelque chose. Rabou Tarka s'explique ici sur la construction de la paix à Difa et sur la guerre menée contre Boko Haram. Depuis quatre ans, nous sommes en train de livrer une guerre contre Boko Haram. Boko Haram, vous connaissez son origine, c'est le Nigeria. Il se ravitaille un peu partout, dans les îles du lac Tchad. Il se ravitaille en attaquant des villages, etc. Il nous a attaqué plusieurs fois. Il a eu quelques victoires euh, contre nos forces armées, comme il a eu des victoires au Nigeria. Mais l'organisation que nous avons mis en place au Niger, d'abord la mobilisation militaire que nous avons faite, la mobilisation militaire de nos voisins tchadiens. Dans un premier temps, de manière bilatérale, nous avons coopéré avec les Tchadiens, vous le savez. Ensuite, euh, c'est devenu aujourd'hui la force multilatérale qui est en train de combattre Boko Haram. Donc, au bout de plusieurs années, Boko Haram a été affaibli. Il est arrivé maintenant dans une situation où il est faible. Mais je dois dire qu'il n'a jamais été question de toute la fois. Il n'y a jamais eu de scénario dans lequel Boko Haram allait défaire nos armées. Il n'y a pas eu de scénario dans lequel Boko Haram pouvait occuper une ville de la région de Difa ou occuper l'ensemble de la région de Difa. Il n'y en a jamais eu. Donc c'est une guerre qui, de toute façon, nous allons toujours gagner. C'est pour cela que nous avons toujours anticipé. Nous nous avons toujours dit attention. Il y aura un moment où Boko Haram va être défait. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire avec les gens, les Nigériens qui sont allés à Boko Haram Qu'est-ce qu'on va faire avec des gens qu'on a accusés d'appartenir à Boko Haram, qui sont dans nos prisons, qui sont par milliers et dont on sait que devant une cour de justice, on ne peut pas trouver de preuves concrètes. Donc voilà pourquoi on est en train de préparer tout ça. Donc le ministre de l'Intérieur a pris l'initiative aujourd'hui de lancer un appel d'abord au Boko Haram eux-mêmes pour qu'ils arrêtent ce que j'appellerais leur bêtise, et qu'ils se rendent. Et ils seront traités humainement. C'est d'ailleurs ce que nous faisons au Niger. On traite humainement les prisonniers, y compris de Boko Haram. Pensez que son appel sera entendu Son appel a déjà été entendu, parce que vous savez que nous avons déjà près de 30 personnes qui se sont rendues. Et nous avons des messages, nous avons des signaux. Tout le temps, nous, nous recevons des SMS, des, coups de téléphone. Il y a 200 personnes ici qui sont en train de, divaguer et qui ne savent plus où, où aller. Et vous savez également qu'à l'intérieur de Boko il y, a un schisme, il y a une fracture entre les gens de al les gens de, de et puis les gens de Mohamed Nour, etc. Donc la pression militaire a fait que ces gens-là, ils sont eux-mêmes perdus. Et alors nous, on leur offre une alternative. On dit arrêtez vous conneries, revenez. Peut-être que vous serez enfermés pour les plus, pour, pour les plus sérieux. En tout cas, rééduqués certainement. Mais en tout cas, c'est une ouverture que le gouvernement donne pour pouvoir résorber toute cette masse de jeunes gens qui est partie. Pour certains, ils sont partis à l'aventure, pour d'autres, ils sont partis à la recherche du gain, mais très peu sont partis pour des raisons idéologiques au fond. Les pauvres gars que nous arrêtons dans la région, par exemple, de, Bosso, ou bien un peu plus euh, au nord du lac, les, Boudouma, ils ne sont même pas musulmans, ils ne sont même pas ce que c'est l'islam. Donc, si vous voulez, il, y a plusieurs approches. Euh, nous avons toujours dit que l'approche militaire seule ne suffit pas à gagner une guerre comme ça. Alors, est-ce que la haute autorité a un rôle à jouer Mais la haute autorité joue son rôle, bien sûr, avec le reste, avec l'ensemble du gouvernement. C'est nous qui avons d'abord euh, euh, commencé les consultations avec la population. Vous vous souvenez, au partir du mois de juillet, nous avons fait euh, un, un forum ici où nous avons posé la question aux représentants des populations. À l'époque, les gens étaient plus ou moins réticents, mais l'important c'était d'avoir amené l'idée, d'avoir ouvert le débat. Et aujourd'hui, que les situations sont favorables, nous avons demandé au ministre de l'Intérieur de lancer officiellement un, appel. Euh, et, là, ça, ça va être beaucoup plus entendu. Évidemment, le président de la République est d'accord avec toute cette démarche. Et nous rendons compte régulièrement de l'évolution de, de, du sentiment des populations avant. Tu ne pouvais pas demander aux gens d'accueillir beaucoup à chez Aujourd'hui, c'est différent, c'est en train de changer. Il y a encore des réticences. Mais évidemment, il n'est pas question de prendre Boko Haram et de les jeter dans les villages. Il faut les traiter, il faut les, les, les, rééduquer, il faut les réinsérer. Il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques parmi eux. Mais ce sont des choses que les autres pays ont fait. Les autres pays ont fait ces, euh, ces démarches, ces processus de DDR, ces processus d'intégration, de réintégration, de rééducation. Et les autres pays ont fait. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire Donc on peut dire que c'est une sortie de cette crise. Mais c'est exactement ça. Nous sommes dans le cadre de la mise en œuvre du plan de sortie de crise crise que le gouvernement veut mettre en œuvre. Parce que le tout, ce n'est pas de gagner la guerre, il faut aussi gagner la paix. Et je dois vous dire que euh, là, le ministre de l'Intérieur, il y a deux jours, a rencontré euh, l'ensemble de nos partenaires. Et ils sont très, très, très volontaires pour euh, amener des investissements dans le cadre du développement de la région d'Ifa. Parce que nous avons toujours dit que la cause, l'origine de cette crise, c'est la pauvreté. C'est le fait que la jeunesse n'a pas de boulot. C'est ça qui est à la base. Donc aujourd'hui, nous apportons des solutions à ça. Et le fait aussi de dire aux repentis de revenir aux jeunes de revenir. Ah, d'une certaine manière, la République est généreuse. La République a des responsabilités par rapport à ces gens-là qui sont partis. Alors, est-ce que les populations locales ont un rôle à jouer Les populations locales ont un rôle à jouer. Vous savez que dans chacune des communes de Difa, nous avons ce qu'on appelle un comité de paix. Ce comité de paix-là a été organisé précisément pour gérer ce genre de situation. évidemment, il gère traditionnellement les questions foncières, les questions entre éleveurs et agriculteurs, mais avec sa technicité aujourd'hui, il peut gérer également ces questions de réinsertion des gens de Boko Haram dans leur commune et dans leur village. La la population a le rôle principal à jouer. Ce que nous voulons pour la population de Difa, ce que le gouvernement veut, c'est d'abord que ces populations puissent retourner chez elles afin de produire ce qu'elles consomment dans la dignité, d'arrêter d'être des assistés, euh, sur le long de la route numéro 1. Ça, c'est d'abord la première des choses. Et quand elles vont retourner chez elles, elles vont être évidemment assistées. Je veux dire que l'assistance dont on parle, c'est pas seulement les, repentis qui vont être, parce que j'ai entendu quelqu'un dire, mais nous, qu'est-ce que vous faites pour nous Vous vous occupez seulement des repentis. Et dit non. La, proportion euh, des financements qui vont en direction des populations n'a rien à voir avec ce que nous allons mobiliser pour traiter les repentis et les ex-prisonniers de Boko Haram et les, les ex-prisonniers Boko Haram de, qui sont euh, qui alourdissent euh, inutilement euh, les, différentes prisons, notamment à Kolo et à, et à Koutoukale. Monsieur le Président, dernière question. Vous croyez à cette méthode il n'y a pas d'autre méthode possible. Ce n'est pas une question de croyance. Il n'y a pas d'autre méthode possible. Comment vous allez faire Si les gens commencent à se rendre, qu'est-ce que vous faites Vous allez les tuer Vous allez les exécuter Donc vous êtes obligé C'est la situation qui impose la solution. C'est la situation qui nous a imposé ça. C'est parce que les gens de Boko Haram ont commencé à fuir qu'on a dit qu'au lieu de les laisser dans, la, campagne, faire de l'insécurité résiduelle, mais mieux vaut les regrouper et puis leur offrir une alternative. Notre correspondant Adam Baboukarna interroge le haut commissaire à la restauration de la paix, le colonel Habou sur la construction de la paix à Difa. La paix, on n'en parle pas uniquement à Difa, mais un peu partout dans le pays. Et tout le monde se sent concerné, à l'image de la maison de la presse qui a initié aujourd'hui une conférence débat à l'intention des journalistes. Le thème, l'islam et culture de la paix. Selon le président du conseil d'administration de la maison de la presse, Ibrahim Harouna, l'objectif de cette conférence débat est d'outiller les journalistes sur les valeurs de paix et de tolérance en islam. Nous l'écoutons au micro de Mokhtar Amadou. L'objectif, euh, c'est euh, ça rentre dans le cadre de la contribution des médias dans la lutte contre l'extrémisme violent au Niger. Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays, voire notre région, fait face à une situation d'extrémisme violent. Beaucoup de jeunes euh, nigériens, beaucoup de jeunes de la sous-région sont impliqués et nos populations vivent les conséquences de cette situation-là. Donc il faut que les médias contribuent, apportent leur contribution dans la lutte contre ces fléaux-là pour qu'on puisse à court et long terme éradiquer ces fléaux de notre sous-région. Ibrahim Harouna, est-ce qu'il y avait eu des cas où des journalistes ont appelé à la violence euh, au Niger il y a eu des cas, vous vous rappelez d'une radio dans la région des Anders qui a même euh, diffusé euh, des propos de, la secte Boko Haram et immédiatement cette radio a été fermée. Le plus souvent, certains journalistes commettent euh, certains actes sans savoir que en diffusant les propos des terroristes ou bien des extrémistes ou bien en couvrant les actions euh, violentes menées par les extrémistes, ils sont en train de faire une communication pour les, terroristes ou pour les extrémistes. Donc il faut attirer l'attention des journalistes que comment savoir traiter l'information liée à l'extrémisme violent, comment éviter de faire de donner de la place ou bien euh, un temps d'antenne aux extrémistes en couvrant les actes qu'ils sont en train de poser. L'exemple le plus précis que, j'avais donné, c'est qu'au Nigeria, maintenant, tout ce que Boko Haram pose comme acte, il ne couvre ça immédiatement. Il rassemble tout ce qui s'est passé comme événement et il donne ça en une fraction de seconde comme étant les actions, ce qui s'est passé. Donc ça évite de faire une campagne, euh, l'apologie du crime. Mais il y a certains médias internationaux qui le font. Oui, il y a des médias internationaux qui le font. Certes, on considère que les médias internationaux, eux, ils ont suffisamment de professionnels pour pouvoir faire la différence ou bien faire pour savoir quoi communiquer dans leur travail. On peut leur faire confiance comme on peut légiférer dans notre pays quoi accepter à travers les médias internationaux et quoi refuser. C'est la liberté ou bien c'est l'indépendance de nos pays qui, du moment où ce sont nos pays, nos populations qui en pâtissent. Il faut savoir comment donner l'antenne ou bien comment autoriser ces médias-là à diviser euh, dans nos pays. Ibrahim Harouna, au cas où un journaliste euh, appelle à la violence, quelles sont les peines qu'il encourt pour le moment, à ce que je sache, nous avons, c'est vrai, des peines euh, relativement au code pénal, mais quand même, pour nous, organisations socio-professionnelles, ce qui nous préoccupe d'abord, c'est la formation, la sensibilisation et maintenant faire en sorte que ça n'arrive pas. Ce n'est pas quand ça arrive, c'est une porte professionnelle qui est sanctionnée d'abord au niveau de nos organes de régulation, mais aussi qui peut être sanctionnée au niveau de, euh, du code pénal du parquet. Donc en ce là on peut dire que pour le moment, ce qui est le plus important, c'est d'attirer l'attention pour que la faute ne soit pas commise. Parce que, oh, vous le savez, en matière de communication, quand les faits sont déjà euh, réalisés ou bien l'action est déjà faite, c'est difficile de rattraper ce qui est déjà commis comme fait. Voilà le président du conseil d'administration de la Maison de la Presse, la Maison de la Presse qui a initié aujourd'hui une conférence débat à l'intention des journalistes sous le thème Islam et culture de la paix. Celui qui a animé la conférence débat, c'est Sheikh Bourema Daouda, et pour lui, l'islam est une religion de paix et de tolérance par excellence, et cela doit être bien connu des musulmans afin de mieux contribuer à cultiver les valeurs de paix et de tolérance, mais aussi à mieux lutter contre l'extrémisme violent. Il est au micro de Mokhtar Hamoud on veut démontrer euh, ou montrer aux gens en tout cas que euh, tous ceux qui aujourd'hui commettent euh, des attentats, qui commettent donc entre guillemets le terrorisme dans le monde et qui se réclament de l'islam, que l'islam est innocent et, vraiment par rapport à cela. L'islam n'a rien à voir avec l'extrémisme, la violence. donc nous venons de démontrer à travers cette conférence comment l'islam appelle à la paix, comment l'islam cultive la paix chez les musulmans dans son fort intérieur, dans dans, sa famille, dans son quartier, dans sa ville, dans son pays, en un monde, à l'univers tout entier, l'islam nous demande donc d'être non seulement des porteurs de la paix, des garants de la paix, mais également des distributeurs de la paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde, les bénédictions de Dieu soient sur vous. Nous le disons à tout le monde et partout dans le monde. Cheikh Ibrahim Dabra, pensez-vous ou bien que répondiez-vous à ceux qui pensent que euh, l'islam est une religion de violence oui, c'est ça. L'islam n'est pas une religion de violence. Au contraire, l'islam, c'est la religion de paix. Mais malheureusement, les musulmans même ignorent cela. Donc, euh, nous avons aujourd'hui vraiment intérêt à enseigner euh, donc ces préceptes ou cette notion ou ce concept de la paix en islam et voir comment l'islam nous demande d'avoir toujours à l'esprit euh, donc la paix. La paix, c'est un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, de notre Seigneur créateur Allah subhanahu wa ta'ala. La paix, c'est ça qui conditionne l'existence des individus, des peuples, des entités. Sans la paix, rien n'est possible. Ni le travail, ni le développement, ni les adorations, euh, ni la pratique de la religion. Par conséquent, l'islam nous demande de faire la paix, de vivre de la paix, parce que celui qui n'a pas vécu de la paix ici-bas, il sera difficile pour lui de vivre la paix dans l'au-delà les extrémistes dont on parlait, tels que Boko Haram, Al-Qaïda et autres, euh, est-ce que ce n'est pas la division au sein des musulmans qui amène les gens à être euh, extrêmement violents Bien sûr, il y a la division, il y a l'ignorance, il y a aussi les ennemis des pays musulmans qui veulent donc déstabiliser les pays pour qu'il n'y ait pas de paix, pour que tous les efforts des pays musulmans aillent seulement dans la recherche de la paix, de la recherche de la sécurité, de la vente, de l'achat des moyens de sécurité, alors que tous ces moyens-là, si on pouvait les utiliser, on allait avancer sur le plan économique, sur le plan financier, euh, les pays allaient se développer, les individus allaient vivre dans l'épanouissement total. Euh, donc il est tout à fait urgent que les gens saisissent cela et qu'ils fassent la paix pour que les pays puissent s'occuper de leur développement. Cheikh Bourema le Niger est un pays laïque. Est-ce qu'on euh, peut dire que le Niger est aussi un pays musulman la laïcité, c'est la, constitution, mais le peuple, euh, du plus haut au plus bas, euh, on sait que tout le monde est musulman. L'islam est tellement ancré dans la vie des Nigériens que personne ne peut dire le contraire. Mais c'est dans la Constitution qu'on a dit que la Constitution donc, du Niger est laïque. C'est-à-dire la pratique, l'application des lois se fait selon euh, les droits positifs et non selon les lois de l'islam. Mais sur le plan euh, de la société, le plan sociétal, les, gens sont musulmans. Les, les mariages se fait selon l'islam, Les baptêmes se fait selon les rites islamiques. les funérailles également. Et Dieu merci, donc euh, ne faut pas confondre euh, constitution et peuple. Cheikh Bouraïm Daouda, il a animé la conférence débat euh, que la Maison de la Presse a initiée aujourd'hui à l'intention des journalistes sous le thème Islam et culture de la paix. Voilà donc ce qu'on peut retenir de façon générale sur la paix à Difa et sur l'islam religion de paix. À 18h50 parlons éducation maintenant avec ce problème d'effectif des professeurs dans les différents établissements publics. C'est malheureusement devenu monnaie courante dans beaucoup de nos régions. Nous avons parlé d'Agadez hier, aujourd'hui Filengue, région du Tilabéri, qui enregistre un manque de plus de 100 enseignants dans presque toutes les disciplines. Issoufou Mouihassan, directeur départemental, explique au micro de notre correspondant dans la localité de Filingué, Abdoulaye Bagassa. Nous avons 38 établissements publics et nous avons 233 professeurs, toutes disciplines confondues. Et nos besoins dans les normes sont estimés à 405 professeurs. Vous voyez vous-même le gap, euh, ça fait, euh, dans les 172 professeurs, sans compter le fait que la plupart de nos enseignants sont aussi des étudiants. Nous avons des difficultés euh, sur le marché de l'emploi. Il y a très peu du personnel qui est apte à enseigner au secondaire. Nous sommes obligés de faire avec des étudiants qui sont tantôt sur le terrain, tantôt au niveau des facultés. Donc c'est vous dire que vraiment nous vivons d'énormes difficultés. À l'heure actuelle, il y a beaucoup d'établissements qui n'ont que leur directeur qui est tout seul, donc une seule personne. Même s'il a une seule classe au secondaire, donc il faut au moins cinq professeurs pour assurer les enseignements. Bon, on fait ce que nous pouvons parce que le problème avec euh, le secondaire, c'est que les recrutements se font au niveau de la région. C'est la région qui met à la disposition des directions départementales les professeurs. Et quelquefois, quand on dit à quelqu'un de venir à Filengue, souvent à partir de Niamey, quand il vient de Tilaberi, quand il vient à Niamey, il reste pour la plupart, à peine 10% des professeurs qui sont alloués à la DDS de Filengue viennent finalement à destination. Et pour la plupart, ils viennent souvent parrainer. Chacun veut être euh, comme on dit, sur le goudron, entre et le plus proche du Niamey possible. Pour avoir de bons résultats, il faut vraiment que les enseignements soient assurés de façon régulière. Et quand on vous dit que euh, souvent il n'y a que le directeur, donc euh, les enseignements ne sont pas réguliers, donc les résultats à, à forcerie ne peuvent pas être bons. Ça leur va de soi. Quand il n'y a pas assez de professeurs, souvent les, chefs d'établissement demandent aux professeurs de prendre euh, toutes les classes qui sont là. Et malheureusement, donc, selon les normes et techniques, donc il y a un professeur au niveau niveau du collège doit assurer 19 heures de cours par semaine. Et souvent, donc dans certains établissements, il y a plusieurs classes. si on doit donner le nombre d'heures réglementaires à chaque professeur dans toutes les classes, cela va aller au-delà de 21 heures. Et donc souvent, cela amène quelques problèmes au niveau de l'administration et, des, et du personnel enseignant. De toutes les façons, donc, quand on a dit que c'est 19 heures par semaine, donc ça a été bien étudié, c'est pour que le professeur soit efficace. On suppose qu'au-delà de ces 19 heures-là, on ne peut pas être efficace à ce travail. Voilà le directeur départemental euh, de l'éducation euh, de l'enseignement secondaire Issouf May Hassan au titre de la localité de Filingue. Il explique le manque criard de professeurs dans les établissements secondaires dans, cette, dans le département de Filingue. Un mot de santé pour finir, santé animale, avec cet entretien que nous a accordé le directeur du service vétérinaire à notre reporter Moutari Mohamadou au sujet de la campagne de vaccination euh, pour les bétails. Le point, je vous propose de le suivre. L'objectif euh, de 80% de vaccination, euh, c'est un objectif recommandé par l'Organisation mondiale de la santé animale. Et une fois qu'on vaccine un troupeau jusqu'à l'effectif de 80%, et on estime que la maladie ne peut plus euh, se transmettre d'un animal à un autre. Donc ça, c'est l'objectif ultime. l'État euh, vise à atteindre cet objectif et l'État met les moyens. Quand nous parlons de l'État, nous parlons aussi des partenaires de l'État, nous parlons aussi des différents projets. Donc euh, chaque année, euh, dans l'objectif d'atteinte de cet objectif, euh, l'État, dans le cadre du Trésor public, finance en grande partie la campagne de vaccination. En plus de ça, nous avons des partenaires tels que le CIC,